Alors, je vois le directeur général de la RTS actuellement. Ah. S'il vous plaît. Oui. Je regarde là où Ah oui. <laughs> Ça, vous allez bien. En direct, il y a du Sénégal, c'est un mot par rapport à, la journée, s'il vous plaît. Une journée importante, parce que c'est le premier acte qui vient d'être posé. Je pense que tous les Sénégalais sont euh, très intéressés par une réforme de la justice après tout ce que nous avons vécu. Et je pense qu'on a entamé plusieurs réformes qui n'ont pas abouti. Et aujourd'hui, il urge que cette séquence de folie qu'on a vécue de 2021 à 2024 ne se reproduise plus et qu'on respecte les droits humains, qu'on respecte l'indépendance de la justice. Je pense que nous allons aboutir à cela à travers ces réformes. Voilà. Merci beaucoup DG mu ngi c'est le directeur général de la RTS Papa Alé Niang donc yëkkati ay kàddu yu am solo ah, ci ci ci li muy xaarandi ah, ci attente yi Clédor euh, Clédor Sène maa ngi koy gis léegi mu ngi may omb c'est pas c'est par là c'est par là donc euh, ñu ngi fi nga xam te ne euh, la di duggé donc euh, ñu jëm léna jox quelques réactions avant même le démarrage véritablement de de la cérémonie alors actuellement ñu ngi fi nga xam te ci Sicap Papa Alé de ngeen ko muy wax ay attentes yi xaar di wax ne rek lépp lo xam ni réforme la buñ ci nekkee nañ ko jëmmal su ko défé day nekk lo xamante ni